c'est cet après-midi que le général Mamadou Nyan sera porté à sa dernière demeure, levée du corps à 15h à la mosquée omarienne et inhumation à 16h au cimetière de Yoff. Au domicile de l'illustre disparu ce matin, la tristesse et l'évocation du souvenir d'un homme de très grande qualité. Vous entendrez euh, certainement un témoignage dans euh, ce euh, journal. En attendant, venons-en euh, à la disparition également du maire de d'Alifort, Idriss Diallo, qui sera également inhumé cet après-midi les familles des victimes du bateau le Diola, de nouveau orphelines. Avec la disparition brutale d'Irdis Diallo, elles perdent un de leurs plus grands avocats. Depuis la tragédie, il y a 18 ans maintenant, le maire de Dalifor n'a cessé d'œuvrer pour faire avancer le dossier autant sur le plan judiciaire que social et administratif. Ses compagnons de route se sont confiés à Anna Rocha. C'est une grande perte pour euh, toutes les familles de victimes du naufrage. <laughs> Vraiment bon. La voix étranglée par l'émotion, le compagnon de lutte Nassardine Haïdara a encore du mal à affronter la dure réalité ce matin. Il est le coordonnateur du musée mémorial Bateau Le Diola. Je crois que le bateau Le Diola a été un tournant dans sa vie parce que c'est à cause du bateau Le Diola qu'il est revenu des États-Unis. Dès le premier jour qu'il est arrivé au Sénégal, il n'a pas cessé de mener le combat pour la vérité, pour la justice. Un combat qu'Idrissa Diallo va mener durant 18 longues années, sans relâche, avec beaucoup d'humanisme, alors que lui-même était frappé par le deuil. Boubacar Ba, président par intérim de l'Association nationale des familles de victimes, témoigne. Quelqu'un qui a défini le cap avec nous depuis le début de ce drame, qui n'a cessé vraiment d'œuvrer pour le compte des familles de victimes afin de défendre leur Il n'y a même pas un mois nous étions ensemble à Vigenshore pour dire que sa disponibilité était sans faille pour les familles des victimes. Nous devons davantage euh, secouer. C'est également avec beaucoup de sensibilité que l'ex-maire de Dalifor s'est investi pour les orphelins du Djola, nous explique Nassardine Aydara. Si beaucoup de pupilles ont réussi aujourd'hui à refaire leur vie, c'est en partie grâce à lui. Dans le cadre de ce combat, Idriss Diallo et le comité d'initiative pour l'érection du musée mémorial Le avaient déjà entamé les réunions pour la commémoration des 20 ans de la tragédie. Ce sera en 2022, mais sans lui. La Casamance, justement, où près de 40 milliards de francs CFA nécessaire nécessaires au financement des activités de réinsertion et de réintégration des, personnes retournées du département de Ziguinchor. L'estimation de l'enveloppe est le fruit d'un travail d'enquête mené sur le terrain pour recueillir les préoccupations des populations retournées. MINBA. Le montant de l'enveloppe a été dévoilé lors d'un atelier consacré à la validation du programme de réinsertion et de réintégration en faveur des personnes retournées. Ce sont 40 milliards qui seront nécessaires à la mise en œuvre du programme conçu pour prendre en compte trois composantes que nous liste ici le directeur général de l'ANDRAC en sous Soussané. Des besoins en infrastructure d'abord par rapport à la mise en place des habitats sociaux, par rapport à la construction également d'infrastructures sociales de base, notamment les écoles, les postes de santé, les maternités. La deuxième composante a trait au financement d'activités euh, génératrice de revenus. Enfin, la troisième composante porte sur le renforcement des questions de paix et de sécurité. Je crois que c'est une composante extrêmement importante qui va nous permettre aujourd'hui d'anticiper sur les questions liées aux fonciers à l'environnement une fois que ces populations sont de retour. Cette estimation, qui est le fruit d'une enquête menée par les équipes de l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance pour collecter les données socio-économiques, prend en charge la question du déminage qui est au cœur de la problématique du retour des déplacés, explique en Soussané. Il faut s'assurer que du point de vue sécuritaire, que les conditions sont réunies par rapport donc au déminage. Et comme vous le savez, donc l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce secteur, mais donc nous sommes en train de continuer le plaidoyer avec tous les acteurs pour faire en sorte sorte que les financements nécessaires à la poursuite de ces opérations de dominage soient mis à la disposition donc des acteurs dédiés, mais également qu'on puisse aller vers l'acceptation du déminage par tous les, toutes les parties prenantes. Les participants, principalement des acteurs impliqués dans la médiation pour un règlement définitif du conflit, ont validé le programme. Ils ont exhorté les organes étatiques qui encadrent le processus du retour des déplacés à porter le plaidoyer à qui de droit pour réunir l'enveloppe nécessaire à son financement. Lamine Baz, Radio Futur Média. Et nous reparlons de, du général Mandounian. Je vous disais tout à l'heure que son inhumation été prévu cet après-midi, après la levée du corps qui est prévue à 15h à la mosquée omarienne. Inhumation au cimetière euh, musulman de Yoff. Au domicile de l'illustre euh, disparu ce matin, la tristesse et l'évocation du souvenir d'un homme de qualité. Je vous propose d'entendre le témoignage de l'un de ses compagnons, Mustafa Kamara, au micro de Pape Mbeidjao. On a perdu un homme, un homme complet, c'est un père de famille. même fait Le général Nian était un homme exemplaire. Il travaillait beaucoup. Il a servi la nation avec honneur. Même dans l'armée, il ne voulait pas sanctionner les gens pour les faire du mal. Il les remettait dans le bon chemin. Il a bien éduqué ses enfants et il était bien avec tout le monde. Vraiment, on a perdu un grand homme. Général Nian était un homme généreux et un homme sincère. RFM, de modulation 94.0. La radio en puissance. Le procès de l'affaire des jouets alcoolisés se tient aujourd'hui devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. L'audience avait été renvoyée de la semaine dernière. Les six prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vente illégale de produits et mise en danger de la vie d'autrui. Des responsables syndicaux de l'Union des routiers du Sénégal ont été arrêtés hier. Il est euh, reproché d'avoir empêché certains transporteurs de travailler en raison de la grève de leur syndicat. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora dénonce ces arrestations et souligne que le mot d'ordre de grève reste maintenu après la rencontre d'hier avec le ministre de tutelle. Nous l'écoutons au téléphone avec El Hajj Mon premier adjoint est arrêté. Il est actuellement depuis hier euh, à la police centrale et euh, des camarades dans les régions, même à Rufisque, euh, ça, ça ne nous dérange pas puisque nous sommes des syndicalistes. Nous avons droit à revendiquer, quel que soit le prix. Même Goro qui était arrêté, ne fera pas l'objet d'un blocus de notre grève. A la plus faire raison, mon premier adjoint. La grève continue, quel que soit les harcèlements. La grève continue. L'État doit être responsable et doit être en mesure de pouvoir régler nos problèmes et non de faire des arrestations pour au moins nous faire reculer. Non, non, non, non, non. Nous sommes en grève, pas, c'est uniquement pour nos problèmes. C'est nos problèmes qui nous poussent d'aller en grève. Si nos problèmes sont réglés, il n'y a plus de grève. Si nous sommes, nos problèmes ne sont pas réglés, il y a toujours grève. Quelle que soit l'arrestation de Gorokhomo ou d'Abdramania ou de tant d'autres. Non, non, non, non, non, Nous ne sommes pas en mouvement de grève pour lever le mot puisqu'on a arrêté X ou Y. La grève est maintenue. Nous avons des problèmes, on a étalé ça devant l'autorité. L'autorité, la réponse de l'autorité, c'est que l'État a écouté vos problèmes et l'État est engagé pour régler vos problèmes. La réponse, elle s'est limitée à ça. On ne sait pas. C'est en 2021 ou en 2022 ou en 2026 que nos problèmes soient réglés. Les problèmes, les promesses ne sont pas datées. Donc sur ça, on ne peut pas vraiment lever de mort le mot d'ordre. Devant la base, on dit que le mot d'ordre est élevé puisque l'État nous a promis. Non, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Nous avons des problèmes. Toujours dans l'actualité syndicale, les travailleurs de l'hôpital Abbas Ndao comptent déposer dès demain un préavis de grève. Ils dénoncent la gestion de leur directeur, mais ces travailleurs réclament aussi leurs primes dans le cadre des fonds Covid dégagés par l'État. Ils étaient en conférence de presse ce matin au siège de la FGT. E que vous entendrez Sidi Ndiaye lors de nos prochaines éditions. Allons maintenant à l'intérieur du pays. Ngascop, Batal et les villages environnants disent non à l'arrivée euh, prochaine du fermier Aquatec. Ces populations avertissent, elles ne veulent pas vivre le même calvaire qu'elles entendent dans les localités où opère le repreneur des forages ruraux dans les régions de Djurbel et de Thiès. L'annonce de l'arrivée d'Aquatec dans leur village pour la gestion des forages les a plus qu'effrayés. Ils ne veulent pas du repreneur qui, selon eux, a causé beaucoup de difficultés dans l'approvisionnement en eau dans le monde rural. Abdoundong. Alors, la tenue de ce point de presse est liée à un seul problème. Il y a de cela deux ou trois mois, nous avons entendu des rumeurs comme quoi que Aquatech va venir enrôler le forage d'un gascope et le forage de Batal. Alors, la jeunesse que vous voyez derrière moi ont décidé de dire non à cette mascarade pour plusieurs raisons. Aquatec n'est plus à présenter. Là où cette entreprise passe, elle fait des dégâts. La reprise des forages de Batal et Ngascope causerait une perte de travail à ces nombreux jeunes qui ont investi le secteur du maraîchage dans la zone. Nous, jeunesse, de tous les villages environnants, nous avons décidé de prendre en charge notre forage. Nous sommes assez responsables pour se prendre en charge. Il y a l'extrême expertise locale capable de gérer et le forage de Batal et le forage de Ngaskop. Ngaskop et Batal, deux localités situées dans la commune d'Ongoy dans le département de bombay n'ont à ce jour aucune difficulté dans la gestion de l'eau des forages. bombay RFM Babacar À Kolda, ce sont les habitants du quartier polyvalent qui ont tenu un point de presse pour dire euh, non euh, face aux difficultés qui les empêchent, disent-ils, de dormir. Il s'agit de l'absence d'électricité alors que c'est dans leur localité que se trouve la centrale électrique de Kolda. Il y a également des problèmes d'eau potable et une absence de canalisation ainsi que l'insécurité. Abdoulaye Diallo. Situé dans la zone périurbaine de la commune de Kolda, les habitants du centre polyvalent réclament de l'électricité alors que leur localité abrite la centrale électrique de Kolda, disent Aujourd'hui, polyvalent est sorti de son silence pour dénoncer l'injustice que nous voyons ici. Parce que nous sommes là dans ce, quartier il y a des années maintenant, dans l'obscurité. Nous sommes fatigués de vivre dans l'ombre. Ah Afia en a Faraba, jusqu'à même Moussa eux, ils ont eu de l'électricité. Pourquoi pas polyvalent Regardez ces poteaux et ces fils qui sont là. Il y a à peine deux ans, mais aucun poteau électrique n'est allumé ici. C'est anormal de parler d'un Sénégal émergent au moment où il y a des quartiers au Sénégal qui n'ont même pas de courant. Franchement, nous déplorons cette situation. Ici, centre polyvalent, tout simplement, on peut avoir ici plus de 4000 habitants. Imaginez ce quartier-là qui n'a pas d'électricité, un quartier qui n'a pas de bonne route. L'inondation, c'est un problème ici. Il n'y a pas d'eau ici. Polyvalent compte plus de 4000 âmes et près de 500 concessions. Ce quartier n'a aucune addiction d'eau potable. Pendant l'hivernage, la mobilité y est très difficile à cause d'une absence de canalisation. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de courant. Nous vivons dans un village, nous on peut dire, alors que nous sommes dans une commune. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de serre, nous n'avons rien. Durant l'hiver, nous n'avons même pas laissé nos enfants traîner dans les rues. Parce qu'il y a eu une année ici, là où on a perdu deux enfants qui sont décédés sur le coup, à cause des noyades. Nous déplorons cette situation. Nous avons, besoin de canalisation, nous avons besoin de robinets ici, surtout d'une électrification. L'insécurité hante également le sommet des habitants de Polyvalent à cause de leur éloignement au commissariat de la police urbaine et à la brigade de gendarmerie gendarmerie RFM Kolda À 12h14 minutes, venons-en maintenant au point du jour sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Cinq nouveaux cas de décès ont été enregistrés hier, lundi 28 décembre, ce qui porte le bilan à 395 morts depuis le début de l'épidémie au Sénégal au mois de mars dernier. Lors de son briefing de ce matin, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale a également fait état de 37 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Les autres chiffres du jour sur 984 tests effectués, 78 sont revenus positifs, dont 26 cas contacts et 52 cas de transmission communautaire. On note 65 guéris, mais 1314 patients sont encore sous traitement. Terminons avec cette attaque à main armée à Mbolop, dans le département de Mirkilan, aux environs de 3 heures du matin. La nuit dernière, des malfaiteurs lourdement armés ont euh, attaqué un commerçant. La victime a été passée à tabac et les malfrats se sont fondus dans la nature après lui avoir dérobé une somme de 600 000 francs CFA. Omar Diaye. L'attaque a eu lieu cette nuit. Des malfaiteurs au nombre de 8 ont attaqué un commerçant à Mbolop. La victime a été blessée et une somme de 600 000 francs lui a été dérobée. J'étais couché sur mon lit quand j'ai entendu des bruits. Je me suis levé, j'ai asséné un coup au premier malfaiteur qui m'a attaqué, mais il était plus fort que moi, il m'a plaqué au sol. Les autres sont arrivés et se sont mis à me ruer de coups partout, avec des gourdins sur le corps, sur la tête, partout, en me demandant le coffre-fort et l'argent. Je le leur ai montré et ils ne m'ont lâché que ils ont récupéré Les gendarmes qui venaient en intervention ont fait 40 km sur une route caoteuse et les malfaiteurs étaient déjà loin. Le maire de la commune demande le renforcement de la sécurité. Nous avons appelé la brigade de Mikan. Ils sont déplacés, mais ils ont venu tardivement parce que nous sommes assez éloignés de Bikila, environ 42 km de Bikila, qui est notre chef-lieu de département. Nous lançons un appel euh, à l'État, au ministre de l'Intérieur, à ce qu'il renforce davantage euh, la brigade de Micheland pour à ce qu'il veille davantage euh, sur la sécurité et bien-être du département. À cette période de récolte où les paysans vendent leur, vendent leur production, les populations dorment la peur au vendre à cause du manque de sécurité. Caffine, Omar Ndiaye, RFM. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Georges Détier Bonjour Georges. Bonjour Souleymane Niang. Ah, on commence avec les obsèques de Pierre buoya C'est ce mardi au Mali. L'ancien président burundais sera inhumé au cimetière catholique de Bamako Koura. La messe pour les funérailles s'est tenue ce matin à la grande cathédrale de Bamako. Pierre Bouyoya est décédé le 18 décembre dernier à l'âge de 71 ans des suites du Covid-19. Au Mali toujours, la dépouille mortelle de Soumaïla Sissé, lui aussi décédé du Covid-19, arrive jeudi à Bamako. Son enterrement le lendemain vendredi à 10h. Les obsèques, les obsèques auront lieu au palais Amadou Ampateba. On ne quitte pas le Mali. Trois soldats français y ont perdu la vie hier lundi. Trois soldats de la force Barkhane tués en opération. Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé alors qu'ils participaient donc à une opération dans la région de Ombori dans le centre-est près de la frontière burkinabé. Selon le ministère euh, des Forces armées, les soldats interviennent intervenait dans une zone où des groupes terroristes attaquent les populations civiles et menacent la stabilité. Dans un communiqué, l'Elysée a rappelé toute la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Au Niger, on attend toujours les résultats complets provisoires des élections présidentielles et législatives de dimanche dernier. Ils doivent être annoncés par la commission électorale dans un délai maximum de 5 jours après le scrutin, soit le 1er janvier prochain. Les résultats provisoires ont commencé à être diffusés lundi par la Commission, mais il ne concerne pour l'instant qu'un petit nombre des près de 26 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. Et puis le bilan annuel de Reporters sans frontières, l'ONG fait état de 50 journalistes tués en 2020. Le chiffre est stable par rapport aux 53 tués l'an dernier. Cette année, près de 7 journalistes sur 10, soit 34 journalistes représentant 68% du nombre total ont été tués dans des pays en paix. Le Mexique et le pays pays le plus meurtrier pour la profession avec euh, euh suivi de suivi par l'Inde, le Pakistan 4, les Philippines 3 et le Honduras 3. Reporter sans frontières qui a publié son bilan annuel ce mardi a établi que ce décompte entre euh, le 1er janvier et le 18 euh, décembre, le 14 décembre, l'ONG avait publié un autre rapport sur les emprisonnements. 387 journalistes professionnels ou non étaient toujours euh, sous les verrous pour avoir exercé leur métier contre 389 un an plus tôt. Cinq pays concentrent plus de la moitié des journalistes incarcérés, 67%. La Chine reste la plus grande prison du monde avec 117 journalistes détenus devant l'Égypte 30, l'Arabie Saoudite 34, le Vietnam 28 et la Syrie 27 Suleiman. Merci Georges Détier Diop. Euh, on vous retrouve euh, tout à l'heure pour la revue de presse. Pour l'instant, il est 12h et bientôt 20 minutes. Bonjour Malal Diop, euh, Malal Gagne euh, Junior. Bonjour Sulemania. Pour le journal des sports, euh, on commence par la préparation de la nouvelle saison des acteurs du foot euh, en conclave à Pékin. À l'arène nationale, sous l'égide de la Ligue professionnelle de football, tous les acteurs sont euh, réunis pour discuter du protocole sanitaire, mais également des mesures à prendre afin de euh, bien gérer cette situation. Une reprise après près de 10 mois, avec également des mesures qui concernent la presse. Seuls 15 journalistes seront admis par stade et par match. Une situation que déplore le président de l'Association nationale de la presse sportive qui invite par ailleurs les acteurs à plus de responsabilités face à la pandémie, Abdoulaye Cham Dongoka. Moi, je crois que la seule chose que les clubs n'étaient pas capables d'organiser de, d'organiser compte tenu de la précarité, compte tenu des difficultés financières que l'on connaît de la Ligue professionnelle sénégalaise, c'était si on leur avait imposé de faire, de faire des tests à chaque match. Ça, c'était pas possible. Mais quand on respecte les mesures barrières, que les gens viennent avec leur masque, qu'on contrôle la température de tout en chacun, qu'on réduise d'une manière drastique le nombre de personnes qui sont présentes dans les gradins, parce que si je ne m'abuse, il n'y aura pas plus de 80 90 personnes dans, un stade. C'est d'un seul coup que l'ANPS a reçu un communiqué du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football pour nous dire qu'il y aura que 15 journalistes. Mais on ne m'a pas dit est-ce que dans les 15, est qu'il faut des photographes Dans les 15, c'est l'ensemble des, organes de presse du Sénégal qui sont concernés. Est-ce que les télévisions sont inclus dedans Est-ce que les sites internet sont inclus dedans Moi, j'ai besoin d'avoir des réponses. Non, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut réduire. Mais quand même, je pense qu'on aurait dû quand même d'abord se concerter avec les journalistes et augmenter un tout petit peu. Et deuxième chose aussi, est-ce qu'en conférence de presse, l'ensemble des journalistes qui sont dans les gradins vont descendre Est-ce qu'il y aura des zones mixtes Voilà donc autant de questions. Je pense que si on avait convié effectivement l'ANPS, on allait en, discuter. Le football en Angleterre et en Espagne avec les 16e journées de ces deux championnats européens. En Angleterre, plusieurs rencontres sont au programme, euh, parmi lesquelles Manchester United contre Wolverhampton, Brighton contre l'équipe de Arsenal. En Espagne, début de la 16e journée, Séville face à Villarreal. L'équipe de FC Barcelone joue contre l'équipe de Eibar. Betty Séville défiera Levante. Volleyball, le nouveau président décline son projet de relance. Il s'appelle Amadou Anasei. Il a été élu président de la Fédération sénégalaise de volleyball dimanche dernier pour 12 euh, voix contre 11. Il veut d'abord réunir la famille avant de se projeter pour améliorer tous les secteurs du volleyball au Sénégal. Amadou Anania, que nous écoutons. La famille du volley, quelque part, est un peu divisée en deux clans donc, notre premier objectif, notre première mission sera vraiment de tout mettre en œuvre pour fédérer cette famille, rassembler l'ensemble des acteurs pour que nous puissions nous retrouver autour de la même table, discuter et vraiment défendre les intérêts généraux du volleyball. Évidemment, de faire un état des lieux par rapport à la situation présente, qu'on ait un point de départ et commencer le travail. Ma première mission sera aussi d'entreprendre une tournée de sensibilisation, d'explication vers les ligues principales existantes pour l'instant et leur demander vraiment de tout mettre en œuvre pour pouvoir redynamiser ces ligues afin que l'on puisse pratiquer le volleyball sur l'ensemble de ces régions. Et enfin, rencontrer aussi les techniciens pour qu'on puisse préparer les activités à venir, les compétitions internationales aussi à venir. Alors, Suleiman, il est 12h23 minutes. Après votre journal, vous êtes invité là où vous savez. <laughs> C'est de ma part. Merci. Ben, euh, c'est pas du tout refus. Hein. Ah, donc, je vous attends alors. Ben, merci beaucoup. tout à l'heure. <laughs> le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et la gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La presse de ce mardi 29 décembre 2020, passée en revue par Georges Détidiop lundi noir pour la nation. L'observateur a bien raison de le dire après les décès hier soir du général Niang et du maire Idrissa Diallo. Les autres journaux aussi, pour la plupart, portent le deuil. Les échos informent qu'ils sont emportés par le coronavirus, ce qui fait dire au journal que le Covid-19 poursuit son ravage macabre. Le quotidien Le Quotidien, qui met à sa première page une photo du général Niang sur fond noir, parle de fin de mission. Pour le soleil, le Sénégal perd son soldat du consensus. Le général Mamadou Niang est était jusque-là le président de la commission politique du dialogue national. Il a été ministre de l'Intérieur quand survient l'alternance en 2000. Ainsi, le journal Le Quotidien affirme que c'est le dialogue, surtout politique, qu'il présidait qui est orphelin d'un homme qui avait fait l'unanimité ou presque de la classe politique lorsque le président de la République lui a confié ce volet sensible et peu évident. Le président Sall qui lui rend hommage. Macky Sall salue avec respect la mémoire d'un brave soldat qui a servi l'État jusqu'au dernier souffle. Les échos renchérit et parle d'un brillant militaire, homme de dialogue et de consensus qui sert le pays depuis 1960. Des hommages sont rendus aussi au maire de Dalifort, Idrissa Diallo, qui, selon les échos, était un homme courageux, digne et engagé. L'observateur confirme et souligne que la classe politique lui a témoigné les qualités d'un homme loyal, digne et engagé. Pour le soleil, un homme de conviction et de principe s'en est allé. Las note que le coordinateur du mouvement Khalifa Président et natif de Marsassoum a connu une vie jalonnée de combats. Las qui s'inquiète par ailleurs de la cascade de morts de VIP. Tout cela en 2020, une année que le témoin qualifie de macabre pour les hauts d'en haut. Les photos de plusieurs personnalités décédées à sa une, le journal rappelle que la longue liste macabre a débuté en fin mars avec l'ancien président de l'OM, Pape Diouf, ainsi le décès récent de la députée Marie-Louise Diouf après les pertes de l'ancien ministre Souad Mohamedou Ndiaye, le maire de Rosbekio, Amadou Bekay Pierre Ndiaye du ministère de l'économie, du maire de Dalifort, Idrissa Diallo, pour ne citer que cela ont tous été emportés par la furie des deux vagues de contamination de Covid-19 au Sénégal, où on est à près de 400 morts après près de 10 mois depuis l'apparition du premier cas. Seulement, ajoute le témoin, 2020 a vu le Sénégal perdre des célébrités dans tous les domaines qui sont morts naturellement. La mort du jeune général Nyang, source A nous apprend qu'elle est à l'origine de l'annulation de la réunion initialement prévue aujourd'hui pour la validation des experts chargés de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral. Autre chose maintenant, l'aménagement du territoire. Enquête informe que l'Assemblée nationale a adopté hier la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Objectif, réduire le déséquilibre entre les territoires. Ainsi, à travers le plan national d'aménagement du territoire, l'État prévoit 10 métropoles pour désengorger Dakar. Enquête fait savoir que le ministre des collectivités territoriales, Omar Gueye, a réaffirmé que la ville n'a plus sa raison d'être car il faut respecter le principe des deux ordres de collectivités territoriales énoncé par l'article 1er du Code des collectivités territoriales. Dans l'Observateur, Ismaïla Madiorfal se prononce sur le débat relatif à la suppression annoncée des villes. Selon lui, il y a lieu de doter Dakar d'un statut qui permet une gouvernance municipale apaisée. Dans un entretien accordé à l'Observateur, le ministre d'État, ancien président du comité de pilotage de l'acte 3 de la décentralisation, lève le voile sur le projet de réforme du statut des villes. Ismaël Amadiorfal confie que le président de la République n'a jamais parlé de suppression des villes. Toujours dans l'Observateur, ce gros scandale sexuel à Louga, le gérant de l'association Action en faveur des enfants de la rue arrêtez pour abus sexuels sur des enfants talibés. À vos kiosques bonne lecture. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles exceptionnel. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. La revue de presse vous a été offerte par Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe. À 12h, à 12h29 minutes, c'est la fin de cette première partie du grand journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Ndiogoudien à la coordination, Abdoulaye Diop à la mise en onde, au studio de production Ibundour, Yacine Pouille à la digitalisation et à la mise en ligne, régie d'antenne Pape Omar Diaw. Retrouvez Pape Ndiaye pour le grand journal en Wolof à 13h. Tout de suite, Makumba Bey revient sur les faits saillants de l'année 2020 en économie. Excellente écoute et très bonne suite des programmes sur la radio.